le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Trouvez fidèles auditeurs, et merci de préférer les programmes du studio Kalangou, les questions qui vous tiennent à cœur. Le forum du studio Kalangou en parle chaque jour du lundi au vendredi. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. 18h15 minutes, vous écoutez les programmes du Studio Kalangu. C'est l'heure du Forum de Studio Kalangu. Le Forum du Studio Kalangu, un espace d'échange pour édifier les auditeurs. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. Vous nous suivez à travers un réseau de 20 radios partenaires disséminés dans les 8 régions du Niger. Il sera question ce soir du fleuve Niger, un fleuve de l'Afrique occidentale, le troisième du continent par sa longueur après le Nil et le Congo. Il prend sa source en Guinée après une grande boucle aux confins du Sahara, le fleuve du Niger. Si vous préférez, le Djoliba se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria il traverse ainsi la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Le fleuve Niger est également important du point de vue de ses affluents et défluents et ses grands lacs qui le composent, exemple le delta du Niger au Mali. Euh, tout cela favorise de grandes potentialités pastorales et agricoles avec les ressources extrêmement importantes en eau aux populations riveraines. On parle aussi d'activités commerciales et touristiques. Le rôle du fleuve Niger dans la vie des populations et dans l'économie nigérienne au centre de nos discussions dans cette émission. Il s'agira de parler dans un premier temps de l'historique de ce grand fleuve et des opportunités qu'il offre. En second point, nous tenterons d'énumérer ce qui marche sur et aux abords de ce fleuve ainsi que les nouvelles difficultés qui freinent sa bonne exploitation. Le dernier axe de ce forum nous conduira à ébaucher avec nos invités les pistes pour sauver ce fleuve et viser une meilleure utilisation de celui-ci pour le bien-être des populations, des espèces et du pays. Le forum du studio Kalangu de ce jour dans une présentation de Diallo Mariama Kenda. Chers auditeurs, pour parler du fleuve Niger et de ses potentialités, nous avons invité pour vous des personnalités bien connues et bien indiquées. Il s'agit de Moumouni Aruna, responsable de l'agence Songhai, Songhai Voyage, qui a pratiquement vécu au bord de ce fleuve depuis sa très tendre enfance. Il est l'initiateur du rallye fluvial par pirogue sur le fleuve Niger. Il a aussi organisé le Salon international du tourisme d'affaires. Bonsoir à Moumouni. Bonsoir. Nous sommes aussi avec euh, Baba Ahmed euh, Sanadi, cadre supérieur du tourisme et de l'hôtellerie, formateur directeur général de l'hôtel Gawé et ancien directeur général de la Sonitel, de la Sonotel, pardon, une société qui avait sous sa coupe tous les hôtels de l'État ainsi que les sites touristiques du Niger. Bonsoir Baba. Bonsoir madame. Le ministre chargé du tourisme est représenté ici par Karijo Zatao. Il est le directeur général du tourisme et de l'hôtellerie au ministère du tourisme, de l'artisanat. Un monsieur qui a fait pratiquement toute sa carrière, des décennies durant, durant, dans ce même ministère. Donc, une icône et qui peut nous informer, nous enrichir sur cette thématique du forum aujourd'hui. Bonsoir, Caridio euh, Zatao. Bonsoir, madame. Enfin, nous avons avec nous Abdul Maziz Taya, chargé de communication de l'Association nationale des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Aziz connaît bien le secteur de la chasse sur les bords du fleuve Niger ainsi que le métier de guide. Bonsoir Aziz. Bonsoir. Alors, chers invités, pour entrer en matière, en un tour de table, dites-nous brièvement euh, ce qu'était ce joyau naturel, ce qu'il offrait ou représentait pour vous à quelle époque, au moment, à la belle époque, au moment où, étiez, où vous étiez beaucoup plus jeune, à vos débuts, comme beaucoup, comme nouveaux fonctionnaires, au moment où le Niger a connu le boom du tourisme. Je commencerai par le directeur général je commencerai donc par le responsable de l'agence Songhai Voyage qui a pratiquement vécu au bord de ce fleuve, Moumouni Aruna. Allez-y, monsieur Moumouni. Merci, mademoiselle, de nous avoir donné euh, l'occasion de de parler de ce fleuve au bord duquel euh, moi je suis né. Ce fleuve est très généreux à l'époque, parce que même quand vous vous promenez au bord de ce fleuve, tantôt quand deux poissons se mettent en, en dispute, vous allez voir un d'eux qui saute et il tombe sur la terre, et vous prenez ça c'est bon pour la sauce de la soirée. Ou un épervier qui, vise un poisson, il le prend, il ne peut pas s'envoler avec, il suffit de l'effrayer tout de suite, il laisse tomber le poisson. Et vous prenez, vous rentrez à la maison, c'est la bonne sauce. Alors ce fleuve, je l'ai côtoyé, j'ai nagé dedans, on va aller un peu rapidement. Vous avez juste quelques secondes pour faire, euh, pour nous rappeler ce qu'était le fleuve Niger. Donc il était généreux et le fleuve servait en même temps d'une piste de commerce. Les gens partaient au Nigériens acheter les, les rogniers pour euh, leur construction de murs et il n'y avait pas de camion. C'est dans les pirogues, les grosses pirogues, que 15 à 20 personnes s'organisent pour amener la pirogue pleine de ces, de ces là Autrement dit, le fleuve euh, servait beaucoup de choses parce qu'il faut se dire que nous avons des voisins invisibles dans ce fleuve. Et en cas de, de, de calamité naturelle, les, les riverains descendent dans l'eau et ils trouvent la possibilité de guérir le problème qu'ils ont. Des voisins invisibles Qui étaient ces voisins invisibles Bon, voisins invisibles, ici nous sommes sur une table certainement moderne, mais l'Afrique a ses secrets. Si nous, nous sommes sur la terre, il y en a qui vivent dans l'eau. Ah. Et des humains, ils vont participer à leur marché. Il y en a qui passent deux ou trois jours avec eux et ils, ils ressortent. Alors donc, je suppose que vous savez de quoi vous parlez exactement parce que vous avez vécu, comme on l'a dit, depuis votre tendre enfance au bord de ce fleuve et avez euh, pratiqué, initié le rallye fluvial. Nous donnons la parole à Baba Ahmed Sanadi, cadre supérieur du tourisme et de l'hôtellerie, formateur directeur général de l'hôtel Gawi. Oui, merci mademoiselle. J'avais je, voulu préciser quand même que j'ai aussi dirigé l'Office national du tourisme. Ça m'approche plus du thème. Et j'avais été même directeur de marketing avant d'être euh, moi-même euh, responsable de cet office. Alors, euh, ce passage, cette expérience et ma propre formation m'ont permis effectivement de comprendre énormément de choses. Et quand j'étais aussi jeune comme tout le monde, j'avais compris que le fleuve du Niger regorgeait d'énormes potentialités. Et à l'époque, des années 60-70, la région d'Ayuru était bondée les dimanches de bus de touristes et il y avait la pratique de la chasse. Vous allez à Firgun, vous allez à Yassan, vous avez des, des, vues et des pirogues, donc euh, des vues sur les hippopotames. Donc un tourisme de vision extrêmement bien développé. Les touristes allaient aussi sur les îles pour euh, apprécier un peu l'habitat tout à fait typique et traditionnel. Et le soir, il y a souvent des pratiques sociales vivantes, danse, euh, sans compter que le marché était tellement animé. il y avait beaucoup d'articles d'artisanat, il y avait beaucoup de, de couleurs, de senteurs et de, et des choses extrêmement africaines et extrêmement recherchées. Et la nuit, c'est la belle étoile et la ville était très animée par les touristes. Il y avait un campement, après il y a eu un, hôtel qui s'appelle Amenokal. Et il y avait, c'était vraiment le boom. Et si vous continuez, bien sûr, on aura l'occasion de parler jusqu'à Gaïa si vous voulez. C'est ça, puisque la région de Niamey, Tapoa, Saï, euh, tu l'as vu aussi dans une moindre mesure peut-être, on, en parlera, parce qu'à un moment Air Afrique a créé un, un, camp avec un campement pour faire justement la chasse euh, euh, des, on appelle ça le gibier d'eau. C'est-à-dire, c'était des pirogues aux couleurs des girafes et c'était magnifique. C'était vraiment une période extraordinaire. Comme vous l'avez dit, on y reviendra. Le ministère, euh, le ministre euh, chargé donc du tourisme est représenté, je vous l'ai dit ici, par Caridjo Zatao. Il est donc le directeur général du tourisme et de l'hôtellerie au ministère euh, du tourisme. Merci, mademoiselle. Donc, je dirais que pour le tourisme, le fleuve Niger est important parce que le euh, tourisme a commencé au Niger. Alors, avant, euh, avant d'aborder cette question de l'importance du tourisme, que vous rappelez ce, ce, fleuve, ce magnifique euh, fleuve Avez-vous des souvenirs de ce fleuve avant Oui, le souvenir que ça rappelle, c'est que c'est un grand fleuve et par lequel le tourisme a commencé au Niger parce que il était, comme le disait le directeur général euh, de l'hôtel, ainsi que le responsable de l'agence Songay, il était un fleuve vivant, un fleuve animé où on trouvait tout, euh, toutes les activités socio-économiques de manière que le tourisme trouvait sa place, mais euh, il était aussi un répertoire de civilisation du fleuve qui, ont survécu et, donc, euh, et qui, qui sont, euh, je peux dire, qui sont d'actualité même aujourd'hui et que le, le, secteur du tourisme a utilisé comme produit. Voilà. Abdoulaziz Taya, chargé de communication de l'Association nationale des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, le souvenir du fleuve Niger que vous avez gardé. Merci Madame Diallo. Et je remercie le studio Kalangou de nous avoir donné l'opportunité de venir nous exprimer sur une préoccupation majeure pour l'ensemble des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Et les souvenirs, je ne peux pas en dire mieux que ce que vient de dire M. Baba et M. Karijo ici, Momoni. Mais je sais que grâce à cette dynamique, les responsables d'avant, pour mieux développer ce secteur, et certaines régions, certains comtés ont eu des infrastructures. Genre, si vous prenez l'exemple de l'hôtel La Tapua, ici à Tilaberi, il y avait un campement, à Ayuru. Toutes ces infrastructures eh, permettaient à, cette époque vraiment le développement ou la promotion du tourisme nigérien, surtout dans la vallée du fleuve. Et c'était vraiment une époque que, comme l'a dit le directeur, on n'a pas assez de mots ou de verbes pour pouvoir qualifier cette époque-là. Et c'est devenu un souvenir peut-être nous allons se rentrer de l'histoire, on va transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, à nos petits frères, pour qu'ils comprennent que ce fleuve, jadis, n'était pas comme ce que nous le voyons aujourd'hui. Notre reporter Aïla Soumana est allé visiter les alentours du fleuve Niger où se pratiquent diverses activités pour attirer les touristes. Cette fois-ci, il s'agit du maraîchage, un métier d'exercice qu'exerce Amadou, Idani depuis 36 ans à la corniche Yantla, à 300 mètres du fleuve. Grâce à cette activité, Amadou, âgé de 60 ans, arrive à entretenir sa famille, sa femme, sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses quatre enfants à sa charge. Je le fais toute l'année, mais à partir du mois d'avril, mai, il fait très chaud. Donc on réduit le périmètre de travail. J'ai pas une notion sur les communes de mètres carrés, mais ça peut aller jusqu'à 60 parcelles. Quand c'est la période de difficulté, on ramène ça à 30. Grosso modo, si tu fais les calculs, tu peux avoir 5 000 francs par mois. Souvent aussi, ça peut aller jusqu'à 125, 150 000 francs par mois sur les 12 mois. Quoi. Nous avons des femmes qui viennent acheter. Nous avons aussi des hommes de panier qui sont partout dans la ville de Niamey ils viennent également acheter en gros. Ils achètent souvent 5, 10 parcelles et ils viennent quotidiennement enlever. Bon, la principale difficulté, c'est pendant la décrue. En ce moment, l'eau est difficile. Et nous tirons l'eau à partir du fleuve par les motopompes pour pouvoir arroser parce qu'il n'y a pas pratiquement l'eau. Ah, ça nous coûte très cher on peut dire qu'à ce moment, les gains sont réduits. Il y a des années où nous sommes victimes d'inondations. Ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de tirer l'eau avec des motopompes pour rejeter ça dans le fleuve. Mais après quelques jours, l'eau se retire. Mais ça peut durer de deux mois, souvent trois mois. Propos recueillis par Ailatou Soumana. L'état actuel du fleuve, c'est de cela qu'il s'agira dans cette deuxième, dans ce second tour euh, de table avec nos invités. Vous avez tantôt évoqué l'aspect d'autrefois de ce fleuve, qu'est devenu ce fleuve aujourd'hui. Euh, Taya, donc Abdelaziz Taya, chargé de communication de l'Association nationale des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Bon, ce qui est devenu le fleuve, c'est le constat est là. Euh, le fleuve est confronté à plusieurs difficultés, à plusieurs euh, menaces. Comme si vous prenez l'exemple sablement du fleuve, aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, le fleuve fait pitié. comparément, comparativement aux autres fleuves qu'on a pu visiter dans notre capitale, mais aujourd'hui, le fleuve Niger, vraiment, ça fait pitié. C'est ce que le mot qualificatif que j'ai pour le fleuve. Et pourquoi vous dites que ça fait pitié Bon, vu l'état, Aujourd'hui, vous voyez, il y a même des, véhicules qui traversent le fleuve. Il y a même des, les gens marchent dans le fleuve. Avant, quand on parlait dans le passé le fleuve, même si on vous paye des millions, on jette des... Vous ne pouvez pas, vous n'allez même pas oser aller. À plus forte raison aujourd'hui quand on voit la situation dans laquelle le fleuve se trouve. Euh, Moumouni Aruna, donc responsable de l'agence Songaï Voyage, est-ce que vous partagez cet avis Est-ce que le fleuve fait vraiment oui, pitié Oui, oui c'est plus que pitoyable d'avoir le fleuve. Comme euh, M. Baba le disait tout à l'heure, en 70, 71, 72, on était encore jeunes, on montait sur le pont Kennedy pour plonger dans le fleuve. Parce que quand on partait à la piscine olympique, on voyait les gens plonger. Et bon, nous, on vient appliquer traditionnellement euh, sur ce fleuve-là et si euh, le temps permettrait qu'on parle un peu de l'origine et comment était le fleuve, on a peut-être la possibilité de le faire parce qu'on connaît beaucoup de choses sur ce fleuve-là. Alors, vous venez d'avoir la parole pour parler de. Maintenant, par rapport euh, au mot utilisé par euh, mon confrère, Aziz, le fleuve fait pitié. Et je vous donnerai un exemple, un exemple qui est euh, causé par l'incendie de Petit Marché qui a donné naissance euh, au marché de Djamadji. Ça passe inaperçu, les gens ne se rendent pas compte de ce dégât. Mais il n'est pas seulement parce que c'est l'incendie du marché, non. La, naissance du, de Djamadji a fait de sorte que euh, tous les commerçants jettent les paniers de, tomates, les cartons, les pneus usés, les carcasses de radio, donc dans le ravin. Et ce ravin conduit directement, en cas de pluie, tous ces objets-là dans le fleuve Niger. Ce qui fait que euh, Baba peut le témoigner, euh, personne ne peut le contrarier. Aujourd'hui, euh, en dessous du palais de congrès et l'hôtel Gaway, c'est une branche dans laquelle on plongeait en, 70, en, en, 2000, en, en 1970. Aujourd'hui, c'est devenu euh, habitable. Cette branche-là est en train de mourir. Donc vraiment, je partage vraiment son point de vue. Le fleuve fait pitié. Et en allant un peu, un peu, parce que on, on suit beaucoup le fleuve, vous avez des bains de sable qui. qui alors, alors vous êtes en train déjà de parler des, des menaces euh, qui, qui guettent euh, le, fleuve euh, Niger. On va, on va y revenir. Euh, nous allons donc passer la parole à, à Baba Ahmed Sanadi, donc euh, qui est le directeur général de l'hôtel Gawi. On va couper court et pour vous demander à vous euh, quelles sont aujourd'hui les, activités, hein, je parle des activités euh, euh, sociaux, des activités socio hein. économiques, pardon, hein. qui qu'on retrouve autour du fleuve Niger. Bon, à mon avis, hein, à part le tourisme qui a pris un petit coup pour des raisons qu'on connaît tous ici depuis le problème de la sécurité, le reste des activités en réalité elles sont là. Hein. Le fleuve, c'est vrai que par moment, en période de crue, on sent qu'il y, y, a un assèchement beaucoup plus accentué qu'auparavant. Mais il y a des périodes d'inondation, il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire que le, lit reprend son, le fleuve reprend son lit, il inonde même pratiquement les environs. Et mais les activités traditionnelles continuent. Hein. C'est quoi C'est l'agriculture, c'est les rizières, c'est la pêche. Et ce sont ces, ces, ces beaux bateaux qui sillonnent euh, pratiquement, euh, qui, qui, qui, vont dans tous les marchés locaux et qui ravitaillent pratiquement euh, toutes les contrées. Ça vient jusqu'à Niamey avec des camions qui viennent, etc. Donc tous ces marchés locaux, toute cette animation économique, en réalité, elle existe, mais elle a une saison aussi. Elle a une saisonnalité comme tout. Beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, beaucoup. Mais il arrive des moments où, quand le fleuve est très haut, bien sûr, les poissons vont en bas, ils se cachent dans les herbes et il y a moins de poissons. Ça, c'est tout à fait cyclique et c'est un phénomène qui est là. Pour le tourisme, naturellement, je disais, Boubon est mort, Ayoru est mort, euh, il euh, n'y a plus de touristes parce qu'il faut qu'il y ait des touristes. Maintenant, il faut remplacer ces touristes par des nationaux, par des Nigériens, par des, fonctionnaires peut-être euh, des, grosses sociétés qui ont les moyens pour aller un peu partout. Et la Tapua est là, la Tapua c'est beaucoup, plus développé, il y a beaucoup plus de gîtes, il y a beaucoup plus de possibilités d'infrastructures pour que les gens puissent aller passer des bons week-ends. Donc il n'y a pas à trop désespérer. On viendra peut-être sur le cas de Gaïa etc. etc. Il, y a, du potentiel et il y a des périodes quand même, comme la saison chaude, la saison froide, la saison des pluies, etc. Et tout ça, et chaque saison a ses particularités. Monsieur Caridio Zatao, en ce qui concerne donc euh, la relance de ces activités touristiques au niveau euh, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire Merci, mademoiselle avant de de parler de, la relance, en ce qui concerne l'état actuel du, euh, l'état actuel euh, du fleuve, je dirais que euh, tout à l'heure on parlait du potentiel phonique et, humain de ce fleuve et qu'il satisfait, il satisfaisait toute la communauté autour de ce cours d'eau. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. En plus du tourisme, toutes les autres activités ont pâti parce que, par exemple, le pêcheur ne retrouve plus euh, euh, son, son euh, le développement de son activité, bon, il est obligé de se convertir, etc. Mais, ça, M. Baba l'a dit, c'est n'est pas en, en, toute période. Il y a des périodes quand même qui sont propices à, à la pêche. Oui, mais et par exemple, si vous prenez les effets de la pollution et autres sur le fleuve, donc la pêche et autres en, ont pâti. Je reviendrai là-dessus peut-être quand on va arriver aux menaces, mais en ce qui concerne la relance du tourisme, c'est euh, notre credo, puisque, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, le tourisme a, euh, beaucoup parti, le tourisme a subi un coup dur parce que à l'origine, euh, le fleuve, le produit fleuve était le principal produit des années 80 et disons des, années 60, où le Conseil de l'entente a créé des infrastructures tels que l'hôtel Amenokal ou bien la ou les autres campements qui ont permis de développer ce qu'on avait appelé en son temps un circuit inter-État euh, des, pays du Conseil de l'Entente et du Mali. Alors, nous allons y revenir. Euh, nous poursuivons cette euh, émission pour donc écouter un une autre réaction, les observations euh, météorologiques attestent que les crues du fleuve sont en baisse progressive et l'hydraulicité du fleuve en souffre beaucoup. Aussi, la pollution et la menace de la jachinte d'eau, tout comme d'autres plantes euh, d'autres plantes proliférates constituent des menaces écologiques. Bachir Al-Khali Tanimoun, hydrologue à l'autorité du bassin du Niger ABN, affirme que nous sommes en période de deux ou baisse des écoulements qui s'étend sur quatre mois, Bachir Al-Khali Tanimoun explique l'impact sur les activités socio-touristiques et économiques. Nous sommes à une hauteur d'eau au niveau du, fleuve d'environ 202 mètres 31, euh, qui correspond à un débit pas négligeable. Nous n'avons pas atteint la période critique d'étiage qui est de l'ordre de 10 mètres cubes, qui correspondait à 1,20 mètres au niveau de la hauteur au niveau du fleuve. Donc euh, nous sommes au jour et au jour en train de suivre l'évolution euh, du comportement du fleuve, mais cependant il faut comprendre que si la baisse devient plus importante, ça pourrait effectivement impacter sur les activités socio-économiques euh, et également l'irrigation, c'est-à-dire au niveau de, des rivières, au niveau des activités risicoles pour du fleuve. Et ça veut dire qu'il y a forcément un impact quand il y a montée ou baisse du du niveau de l'eau, en quelle période alors ces activités sont-elles propices Et cela est plus propice quand le niveau de l'eau est un peu haut. Donc euh, quand la, pendant la crue, les, activités socio-économiques deviennent plus abondantes avec les transports de tout ce que vous voyez, marchandises comme euh, fruits et, légumes. Mais euh, au niveau de la période des basses eaux, il y a également des activités de pêche qui se propagent. C'est là, effectivement, à chaque période, à euh, ces activités qui correspondent. Mais les périodes les plus critiques, c'est les périodes extrêmes. Soit nous sommes en crue extrême qui peut causer des inondations, ou bien nous sommes en rareté, c'est-à-dire en baisse drastique des écoulements. Là, c'est les étillages sévères qui peuvent vraiment impacter sur la pêche, l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable au niveau des grandes agglomérations qui puisent leurs ressources au niveau du fleuve. Si aujourd'hui la navigation devient très importante et qu'elle et régulier, c'est une voie très importante pour permettre au transport des marchandises et à basse coût. Ça peut impacter sur les prix des marchandises au niveau de Niamey et Nous allons donc aborder la question de l'état euh, du fleuve et de ce qui menace euh, le fleuve Niger. Vous savez, le phénomène du changement climatique est un des éléments essentiels qui impacte la vie du fleuve. Je parle du changement climatique non pas en termes de la pluviométrie, mais également en termes de tout ce qui est déforestation, ensablement, qui impacte d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire la santé du fleuve. Mais aussi également l'aspect des pollutions, des différentes activités minières, mais tout cela, au niveau de l'autorité du bassin du Niger, il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en œuvre pour essayer vraiment de faire le suivi. C'est la sensibilisation, la sensibilisation de la population à comprendre mieux, c'est-à-dire l'enjeu sur nous tous, essayons d'œuvrer pour préserver cette ressource que Dieu nous a donnée. Alors, euh, Moumouni Aruna, donc, euh, vous qui êtes l'initiateur du rallye fluvial, euh, dites-nous comment est-ce que vous faites avec cette situation du fleuve Niger. Tantôt, on parle de, de, cru, tantôt, on parle de, du cru. Alors, est-ce que vous tenez compte de, de ces périodes dans l'organisation du rallye Comment faites-vous Merci, madame. Le rallye ne peut se dérouler que quand le fleuve est plein d'eau. Et même là encore, euh, il y a des, des milieux où le, sable a rempli euh, en partie le lit du, fleuve. Et on prête beaucoup attention euh, aux coureurs sur le fleuve. Alors, des grosses bateaux, comme le disait tantôt M. Baba, qui, qui, sont affrétés pour amener les touristes, parce que la deuxième édition du rallye doit quitter à partir de Gao pour euh, faire escale à Malanville et faire euh, l'arrivée à Gaïa. Donc nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones difficiles à traverser et nous, nous devons beaucoup prêter attention pour revenir. Le rallye ne peut se tenir que quand le fleuve est plein d'eau. À pareil moment, il n'y a que les pêcheurs qui pêchent et ils ont des difficultés, difficultés que encore euh, nous autres on est en train de négliger, c'est l'attaque des hippopotames à ces pauvres paysans. Parce que justement, euh, la faute revient à tout le monde. ces messieurs-là, ils arrivent à arracher la nourriture des, hippopotames à pareil moment, je vous dis. Avant de parler des, hippopotames, est-ce que le rallye euh, draine des personnes, je veux dire une quantité importante de personnes et qui peut forcément avoir une conséquence euh, sur ces activités touristiques. Euh, touristiquement, il n'y aura pas d'impact négatif. tout est possible euh, et positif. Nous avons 1120 personnes à faire déplacer, et ceci pendant 30 jours, sur et sur les rives du fleuve Niger. Donc à partir de Gao jusqu'à Malanville et, faire un peu le détour d'une des îles qui se trouve à Gaïa et venir faire l'arrêté l'arrivée à, Gaïa. Combien de kilomètres Nous avons 950 kilomètres à parcourir. Et nous avons affrété, euh, plutôt nous allons affréter jusqu'à 15 pirogues de portée de, 35 euh, tonnes, donc euh, la portée d'un télème. Et nous sommes en train de voir si nous allons mettre même des salles d'Internet de, sur ces pirogues-là pour que le touriste qui, voyage avec nous a la possibilité de communiquer avec sa femme pour lui créer encore le goût de venir aux prochaines éditions du rallye. Nous sommes en train de, de, de, voir, euh, parce qu'il y aura 22 pays qui vont participer, euh, chacun de ces pays participants doit amener au moins une chaîne de télévision. Ça veut dire, que, ça veut dire que c'est vraiment rentable, c'est quelque chose de positif très positif. Alors, très positif. alors donc par rapport à, ces espèces dont vous venez de parler, je pense aux, hippopotames, et qui sont des espèces qui, vivent euh, dans le fleuve Niger. Abdelaziz Taya, donc euh, je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Association nationale des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Aujourd'hui, vu l'état du fleuve, euh, comment ces animaux, ces espèces-là arrivent à, à survivre Est-ce que ces espèces sont d'abord menacées que, eh, comme vous voulez le dire, eh, aujourd'hui, vraiment, eh, l'activité dont M. Baba et les autres, M. Carillo et Moumouni ont dit, la présence aujourd'hui de ces hippopotames, c'est non seulement c'est une menace pour l'espèce, mais c'est une menace aussi pour la population. Parce que là, il y a un conflit entre la population et ces animaux. Donc, oh, il faut trouver une autre solution notre occupation ou créer un sanctuaire de ces hippopotames pour permettre à ces animaux-là de ne pas nous quitter, aller comme on l'a vu pour d'autres espèces, pour aller ailleurs. Alors, Monsieur Karidjo eh, Zatao, ces espèces-là sont en réalité, euh, selon moi, euh, un facteur clé dans les activités touristiques. Ils attirent beaucoup euh, les, touristes. Aujourd'hui, si ces espèces sont déplacées, quelles peuvent être les conséquences Effectivement, ces espèces, elles sont euh, nombreuses. Il y a les hippopotames, il y a les lamantins, les crocodiles et, ces oiseaux aquatiques qui étaient euh, qui attiraient les, donc euh, les, les, touristes. Les touristes, il y a le tourisme de chasse, mais aussi le tourisme de de vision qui était prospère dans les années 90 eh, autour de ce fleuve. Mais, on l'a si bien dit, du fait de la dégradation eh, du, potentiel eh, de ce fleuve et de son potentiel. Donc ça constitue pour le tourisme vraiment un état de fait qui a conduit au ralentissement et de toute, l'activité touristique. Aujourd'hui, si ces espèces sont déplacées, qu'est-ce qui reste du fleuve Est-ce que ce fleuve va, toujours euh, continuer à attirer des touristes En tout cas, le, produit fleuve constitue donc un des produits phares et le deuxième peut-être produit en tout cas euh, du tourisme nigérien, ce qui fait que la stratégie du gouvernement, c'est de pouvoir créer les conditions de durabilité du tourisme fluvial, mais surtout donc de mettre en place euh, une stratégie de relance des activités touristiques qui peuvent par exemple se développer autour du potentiel culturel, ce qui a fait que on a essayé des programmes de festivals de civilisation du fleuve ou bien et de ce que nous avons appelé des, des, des voyages de découverte alors, comment protéger ces espèces Nous y reviendrons. Autre type de trafic sur le fleuve du Niger, c'est la fraude des hydrocarbures. Nous nous sommes donc rendus à la brigade de l'intervention de recherche Niamey-Tilaberi, dont la mission est le contrôle, la détention et la circulation des marchandises sur le fleuve Niger et aussi la répression de la fraude. Selon le commandant Ousmane Amadou, adjoint au chef de la brigade de l'intervention de recherche Niamey-Tilaberi, c'est environ 24 millions d'hydrocarbures qui ont été saisis l'année dernière la région du Telabéry, par excellence, la région où le fleuve a un parcours au-delà de 300 km de longueur et les usagers l'utilisent comme les autres moyens de transport, notamment la, les voies terrestres. Et là, il y a plusieurs marchandises qui transitent pour regagner les villes, notamment la ville de Niamey. Et entre autres marchandises qu'on retrouve, il y a le carburant, il y a les piles électriques, les savons, la friperie, et même la drogue, il y a les courges, maïs, mil, farine de manioc, etc., etc. Donc malheureusement, et Concernant le carburant, la drogue surtout, c'est des marchandises qui sont prohibées. Ça veut dire que leur importation pour le cadre du carburant l'importation est soumise à une autorisation. C'est seule la qui a le monopole d'importer le carburant. En 2016, nous avons effectué une, une grosse quantité de carburant et c'est ce qui porte un coup dur aux recettes de la SONIDEP. Et nous avons à essence effectué 77 815 litres d'une valeur de 23 592 211 francs. Gasoil, nous avons saisi 4 815 litres d'une valeur de 1 218 748 francs pour une valeur totale de 24 810 959 francs. Alors, euh, d'où proviennent ces marchandises et est-ce que ces chiffres constituent un coût énorme hein, pour notre pays ça porte un coup dur. Ça, c'est ce qu'on a, qu'on a pu saisir. Il y a de grosses quantités qui nous échappent. Malheureusement, nous n'avons pas la collaboration de la population. Il y a une complicité sur toute la ligne. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel à la population pour que cette population nous prête une main forte parce que la détention, la circulation des hydrocarbures nécessite des normes de sécurité. Parce que un bidon de 25 litres de carburant, ça peut se transformer en une bombe. C'était le commandant Ousmane Abdou Amadou, adjoint au chef de la brigade de l'intervention de recherche à Niamey, Télabéry. Alors on voit que malgré l'état de ce fleuve, euh, et il continue donc à quand même euh, produire, à développer des activités euh, commerciales qui engendrent énormément d'argent ce qu'on n'a pas saisi, vous l'avez entendu tout à l'heure, le commandant a bien mentionné que c'était il y a aussi ce qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Et ces 24 millions, c'est vraiment énorme. L'inquiétude ici pour nous, c'est comment et continuer à pratiquer les activités touristiques quand on parle des, espèces aujourd'hui qui sont en danger, quand on parle du, niveau euh, de l'eau. Euh, Monsieur Baba Ahmed Sanadi, donc directeur général de l'hôtel Gawé. Oui, merci encore une fois. Hein. Moi, je pense qu'il faut faut rappeler les principales attractions. Vous avez euh, un, grand site des hippopotames, c'est Yassine furgoun Avec l'étiage, ça glisse, ça vient jusqu'à Niamey. Et le deuxième grand pôle euh, de, vraiment d'attraction touristique euh, au sens écologique écologique, c'est le parc du W et sa zone adjacente, c'est-à-dire avec les girafes de Kouré. Ça, c'est une très belle zone et elle est là. Il faut, elle a été classée aussi d'ailleurs. Et c'est ça, ça, ça, fait partie justement des stratégies pour préserver un peu le parc a été euh, classé zone euh, biosphère, je crois, et vous avez le site des oiseaux migrateurs de Keizé qui, euh, à un moment de l'année, il accueille énormément de. Il y a eu d'ailleurs une, étude qui voulait euh, justement qu'on installe une petite euh, infrastructure pour pouvoir attirer. Lui aussi, il a été classé en site Ramsar pour justement le préserver. Vers Gaïa, vous avez même des habitants qui font l'élevage de crocodiles du Nil hein, et qui le commercialisent à leur manière. Mais la région de, Gaïa, comme celle de Tilaberi, ont aussi un euh, un potentiel culturel extraordinaire. Euh, je ne parle pas seulement des chansons et autres euh, expressions culturelles artistiques, mais il y a d'autres, il y a une diversité extraordinaire dans la région de Gaïa avec ce, métissage et, la région de Tilaberi a été toujours le phare de la culture nigérienne. Et c'est des villes qui sont riveraines du fleuve. Et alors, pour revenir maintenant à toutes ces belles attractions, bien sûr qu'il faut prendre des dispositions. Monsieur Aziz parlait de créer un sanctuaire. Je crois qu'il y avait un projet au niveau des hippopotames qui, allait un peu euh, euh, justement les, cerner et, les, suivre de très près. Mais de là à faire venir des touristes pour cela, la question sécuritaire, elle est entière. Alors donc, euh, un, des autres problèmes pour le développement, je veux dire, du fleuve Niger, c'est aussi l'insécurité. Monsieur Moumouni, vous qui organisez donc le rallye fluvial, vous pensez à cette question Mais oui, mais oui. Euh, on a pris des garde-fous, on a touché les différents États et nous avons leur, euh, leur euh, soutien de, protéger tous nos sites de campement, d'altes, puisque nous ferons émettre des conférences, des, des séances de sensibilisation et nous, feront aussi concourir par euh, État participant les artistes. Chaque pays doit apporter deux équipes d'artistes qui vont compétir. Pour l'aspect sécuritaire, par exemple, comment euh, cela euh, va-t-il se passer nous avons, concrètement Nous avons, par exemple, sur le territoire du Mali, près de 95 euh, hommes armés qui, nous prêtent pour les, 24 heures. Et pour ces 24 heures-là, eux, ils seront postés une semaine avant et euh, ils nous suivent jusqu'à la frontière du Niger, au Mali. À partir de, de cette frontière-là, c'est le Niger qui prend le relais. Donc on a, vraiment vu ce côté-là. Mais seulement, euh, peut-être que là, vous êtes, on est en train de parler sur euh, ce, qui se passe tout de suite. Mais il fallait peut-être aussi penser un peu à la sécurité des navigants sur le fleuve, parce qu'il y a les hippopotames euh, qui, peuvent, aussi s'attaquer aux gens. Alors comment, comment sécuriser ces navigants pas compris. Vous avez parlé de, penser à la sécurité de ceux qui traversent le fleuve. Pas euh, naviguer sur le fleuve, parce qu'on fait pour le courant d'eau, on ne traverse pas. vous avez parlé des, hippopotames. Maintenant, comment assurer la protection du secteur Voilà, pour ça, il y a deux choses. Il y a deux choses. Euh, d'abord, euh, physiquement, on se fait accompagner par des équipes de la gendarmerie fluviale. Nous avons les forestiers et là aussi, on a pris jusqu'à 70 hommes parmi eux qui, qui, qui vont suivre les cortèges euh, sportifs. Mais aussi, nous avons les sorcos de chaque village qui doit immerger les hippopotames de sa localité. Alors, plus que trois minutes pour parler euh, du dernier axe de ce forum, euh, comment sauver ce fleuve aujourd'hui qui est menacé. Monsieur Karijo Zatao, directeur euh, général du tourisme et de l'hôtellerie. Vous avez 15 secondes. Merci, madame. le fleuve est effectivement menacé, mais c'est euh, une ressource qu'il faut préserver. Et dans ce sens, nous, au, ministère du Tourisme et de l'Artisanat, nous avons créé ce qu'on appelle euh, un cadre de concertation avec les ONG de l'environnement lié au tourisme qui sont euh, mènent des activités autour du fleuve, autour de la zone du fleuve, donc toute la vallée du fleuve qui va de, donc euh, de, la frontière du Mali à celle du Nigeria et qui mènent des activités de sensibilisation, mais surtout euh, de diversification des activités. Monsieur Baba Ahmed Sanadi, directeur général de l'hôtel Gawi, comment protéger ce fleuve qui est menacé ben, il faut une très bonne stratégie et j'imagine que l'État a dû prendre un certain nombre de dispositions parce que c'est quand même euh, quelque chose d'extrêmement important. C'est d'avoir une bonne réglementation qui va éviter la pollution des hôtels, la pollution des, villes, tout, ce qui est déversé à partir des forces sceptiques des hôtels, etc. Ça, vraiment, il faut prendre une réglementation quitte à imposer quelque chose pour pouvoir peut-être corriger ou euh, imposer peut-être aux opérateurs ou à tous ceux qui font dans les les abattoirs et autres, d'avoir de, des, centres euh, pour purifier l'eau avant de le, euh, etc. Tous leurs déchets, en tout cas, trouver euh, une, formule pour que ces déchets ne se déversent pas directement. Maintenant, les autres stratégies doivent concerner le désensablement. Alors, pour la, lutte la lutte aussi contre tout ce qui menace. Vous avez parlé de la jacente d'eau et tout ce qui menace, en tout cas le fleuve, il doit avoir des dispositions. Et il y a, je crois, il y a des organes, il y a des organismes qui sont en charge de cette question. Abdelaziz Taï, en ce qui concerne l'ensablement, qu'est-ce qu'il faut prévoir Bon, ce qu'il faut prévoir, c'est que déjà l'État a commencé à faire un travail sur le traitement des bassins versants. Et ils ont commencé, il y a un projet qui a démarré et qui s'est arrêté, dont nous ne connaissons pas les raisons. C'est celui de, l'ensablissement du, fleuve qui s'est arrêté. Aujourd'hui, il faut que l'État prenne des mesures draconiennes pour arrêter que le fleuve soit un dépotoir. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous observons au niveau du fleuve, nous sommes les humains, nous sommes la menace. Alors donc la population contribue à la destruction de ce fleuve. C'est là qu'on s'arrête. Le fleuve Niger est sans nul doute une source de revenus pour les activités touristiques et commerciales, une part importante dans l'économie du Niger. Cependant, ce fleuve fait face aujourd'hui à des menaces qui freinent sa navigabilité malgré les efforts de l'État et ceux du partenaire. La sonnette d'alarme est donc tirée afin de trouver très vite des solutions pour le sauver. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.